le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou toujours à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Il est 18h, c'est l'heure 18h passée de 15 minutes, c'est l'heure euh, du forum du studio euh, Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingué et Niamey. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce forum avec la page culturelle, la 20e édition du festival Écran Noir qui a débuté le 18 juillet dernier à Yaoundé s'est achevée le samedi dernier. Quelle est la situation du cinéma nigérien Vous entendrez Djungare Meiga, un cinéaste de la première génération. Situation sociopolitique au Niger, le silence de l'opposition politique et même celui de la mouvance présidentielle suscite des interrogations au sein de l'opinion publique nigérienne. Réaction dans un instant du président du Modem, Maekata Tahiru Gimba. Pour lui, la situation actuelle du pays est la conséquence de la mauvaise organisation des dernières élections du Niger. Cérémonie d'ouverture ce matin d'un colloque inaugural du Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNSS. Quels sont les enjeux et les défis liés à cette politique La réponse de l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Abdoumouni de Niamey, Dr Ila Ahmed, dans ce forum. Direction Zender à présent où on connaît ces derniers temps des cas d'accidents de circulation très graves et parfois mortels face à la recrudescence de ce phénomène, les gouverneurs, le gouverneur de la région de Zender a s'est entretenu avec les représentants de toutes les catégories socio-professionnelles de la région. Il les a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éradiquer ce phénomène. C'était au cours d'une rencontre ce week-end. Enfin, on se souvient que le ministère de la fonction publique avait en avril dernier décidé par arrêté de licencier 19 médecins nouvellement affectés, puis un peu plus tard 18 autres médecins au motif que ceux-ci auraient refusé de rejoindre leur premier poste d'affectation. Le vendredi 15 juillet dernier, le syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes du Niger, le SYMPHAMED, avait déposé un préavis de grève de 48 heures à partir du lundi, préavis déclaré illégal par la justice le mercredi 20 juillet 2016, nous reviendrons sur les divergences qui opposent le Saint-Famed et le ministère de la Santé publique dans euh, ce forum. Euh, messieurs, dames, ce sont les titres qui sont retenus pour ce numéro euh, du forum. Bonsoir à tous et bienvenue à ce forum, la 20e édition du festival Écran Noir à Yaoundé au Cameroun s'est achevée le samedi 23 juillet dernier. Au total, 58 films ont été retenus dans le cadre de cet événement. Cette édition avait pour thème Festival et promotion du cinéma. Qu'est-ce qui est devenu le cinéma nigérien Écoutons le cinéaste de la première génération, Djingare Maiga, auteur du film Cerveau noir dont la projection est prévue pour le mardi 2 juin juillet 2016 au Palais, le mardi 2 août au Palais des Congrès de Niamey à 20h, Djingare Meiga nous fait le point de la situation du cinéma nigérien depuis les premiers cinéastres. Les premières générations, c'était quand même les Sembe Ousmane, les Mustafa Alassane, les Abikalou Pascal du Bénin et d'autres Sénégalais dont j'ai oublié le nom. Et c'est après eux qu'ils nous sont venus dans le cinéma. Mais déjà, on était ensemble. Moi, j'étais ensemble avec Mustafa Alassane. Depuis ses débuts, quand il a fait ses deux courts-métrages, je l'ai connu en 1964. Et ça trouvé que déjà, moi, j'ai nourrissé beaucoup d'ambition pour le cinéma. On a essayé de parler ensemble du cinéma et on a réalisé les deux premiers longs métrages qu'il a fait. J'étais avec lui. Quels sont ces deux premiers longs métrages le premier, c'était le retour d'un aventure parce que moi, mon ambition avant, c'est d'être acteur de cinéma. Comme je croyais que l'Afrique, là, va changer et qu'il va y avoir du cinéma en Afrique comme ça y est en Europe et qu'on va avoir un coin où tous les Africains vont se retrouver, faire que du cinéma. Moi, je pensais, je croyais trop à ça et je voulais être acteur de cinéma. Ça, je ne l'ai pas caché à Mustapha. Donc, quand il a vu mon physique, ma, mon ambition, il m'a confié tout de suite le premier rôle dans son premier film, Le Retour d'un aventurier. Ensuite, il a fait FVVA, j'ai joué le grand rôle. Bon, c'est après que j'ai commencé à étudier que le cinéma en Afrique, tout le monde fait du cinéma chez lui et ça ne bouge pas. Et donc, c'est comme ça que vous avez débuté dans le, le, cinéma. On va donc parler du cinéma nigérien. Les premiers cinéastes nigériens, c'est Mustafa Alassane, qui a été en tout cas influencé par Jean Rouge, qu'il a connu au musée de l'homme, Moustapha. Quand il travaillait au musée de l'homme, il était un peintre. Jean Rouge sort tout le matin avec euh, euh, son appareil, il filme et Moustapha s'est intéressé à ce qu'il fait. Moustapha l'a suivi et Moustapha s'est accroché à lui et Jean Rouge aime bien les gens qui aiment ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il a demandé à Moussa, si tu veux être cinéaste, c'est simple. Voilà la caméra, je te le donne et voilà ce qu'il faut faire pour filmer. Et Moustapha, en tant qu'un homme vraiment intelligent, très intelligent, il a appris à filmer sur place et il a fait ses deux courts-métrages au même moment sur des, des sujets qu'il a écrits, La bague du roi Koda et puis Auré. Techniquement, c'est pas des films bien, mais c'est quand même fait. Il les a envoyés dans un festival et ces films ont eu des prix. Donc, euh, ces films ont eu du succès au festival parce que c'est quand même un des premiers cinéastes africains qui a envoyé, qui a fait des films et qui les a envoyés à un festival. Ça, c'est vous parle de 62-63. Il s'est jeté dans le cinéma. Et il a été encouragé par Jean Rouge, qui venait de temps en temps à Niamey. Tous les 2-3 mois, il est là. Et chaque fois quand il est là, va s'accrocher à lui. Et ils sont devenus presque des amis parce que Jean Rouge, ne le dis jamais patron. Il faut le dire mon ami. Il faut le dire Jean-Rouge, Ça marche. Et nous allons parler maintenant de vous. Nous allons parler du cinéma nigérien actuel. D'abord, qu'est-ce qu'était le cinéma au Niger et qu'est-ce qui est devenu le cinéma aujourd'hui Bon, nous, avant, on s'est débrouillé tout seul pour faire nos films. Hein. Moi, depuis que j'ai commencé le cinéma, je n'ai pas passé par X et Y. Et j'ai aimé faire le cinéma depuis que j'ai 18 ans, en 58, avant même que j'aille dans l'armée. Et quand je suis venu de l'armée, j'ai continué à nourrir d'ambition pour le cinéma. Et suis influencé surtout par l'acteur noir Sidney Poitier que j'ai vu dans un film qui s'appelle La chaîne. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, je me demande comment un noir peut être, tu vois, euh, important comme ça à travers un film parce que je l'ai jamais vu à travers tous les films américains que j'ai vus. Et ça m'a tellement plu. Donc c'est comme ça que je voulais être un acteur de cinéma. J'ai lisé beaucoup de journaux sur le cinéma. C'est comme ça que le cinéma est rentré. Et quand les Mustafa Alassane, les Omar qui sont venus par le bien des gens rouges ont fait leur premier film, nous sommes partis vers eux. Omar Ganda, il a fait Kabaskabo, il a écrit le scénario, il a été aidé par la coopération française. Moussa Alassane, il a fait ses films et il est lui-même son caméraman, son monteur et ses acteurs qui sommes nous et les jeunes Nigériens qui sont autour de lui. Omar Ganda, on lui envoie toujours des gens de la France pour euh, travailler. C'est que nous, on aimerait savoir le cinéma nigérien, quelle était sa place avant par rapport à aujourd'hui Bon, avant nous étions en premier plan parce que c'est au Niger seulement que les gens ont sorti des grands films. Les films de Mustafa Alassane, les films de Omar Ganda qui ont eu les premiers prix au FESPACO 72, 1972. Ils ont fait sortir le nom du Niger partout. Et le Niger avait une grande place dans le cinéma. Le Niger était respecté dans le cinéma à cause de ces films-là. mais malheureusement, il n'y a jamais eu un financement adéquat pour faire des films au Niger. Omar Ganda, quand il était lâché par la France, il n'a plus fait un film jusqu'à sa mort. Mustafa Alassane, quand il était découragé de ce qu'il fait, parce qu'il n'était pas épaulé par le Niger ni par ailleurs, il a laissé, il est allé construire une salle de cinéma à Tawa il a fait un hôtel là-bas, il est resté. Mais en réalité, moi, je ne me suis jamais découragé. Quand j'ai fait mon premier film, L'Étoile Noire, je l'ai présenté au FESPACO en 1976 et j'ai eu le grand prix du FESPACO, pardon, le grand prix de, la ville de Ouagadougou. Au FESPACO, bah, je me suis dit que bon, il n'y a pas de recul. J'aime le cinéma, je suis encouragé par le peuple de, de Burkina, de Ouagadougou et il faut aller. Quand je suis revenu, j'ai fait mon deuxième film. Deux ans après, je l'ai financé moi-même. J'ai acheté ma pellicule avec ce que j'ai eu. J'ai filmé moi-même. J'ai monté moi-même. Il y a le nom de personne à part les Nigérians qui m'ont aidé. J'ai fait le film et ce film, je l'ai envoyé à Tashkent. C'était l'Union européenne à l'époque. Et le film a reçu le Grand Prix du Festival de Tashkent en 1979. Et j'ai continué. Après, j'ai fait L'Aube Noire. De la même manière, et ce film était présenté au FESPACO en 83. Et c'est le meilleur film de 83 au FESPACO. La coopération française qui était à l'époque vraiment très honnête, ils m'ont appelé à Paris. Ils m'ont dit, nous allons acheter votre film. C'est l'un des meilleurs films que vous avez eu au FESPACO. Ils l'ont acheté. Et ça m'a permis de payer les dettes que j'avais sur ce film-là, de le présenter à un festival à, Carthage. On remarque pratiquement la disparition des salles de cinéma et autres. La nouvelle génération, qu'est-ce que vous en dites Bon, les salles de cinéma, il faut pas en parler, c'est pas cinéma au Niger, c'est partout. Moi, j'ai entendu au Cameroun, ils disaient qu'avant, il y avait 35 salles de cinéma, et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule, une seule salle. Au Niger, c'est la même chose, il y a au moins une salle ou deux salles. Les salles comme euh, Palais de Congrès, comme euh, Centre au Mourouganda, c'est aussi des salles, parce qu'on pouvait précéder des films. Bon, le problème n'est pas là. Le problème est que le cinéma aujourd'hui, la télévision et la vidéo a tué le cinéma en Afrique. il y a aussi les films nigériens Hollywood, là qui sont venus, tu vois, et complètement massacrer notre cinéma en Afrique. Parce qu'ils font les films à bon prix, ils n'ont pas de salles là-bas, ils s'en foutent des salles, ils font des DVD, ils vont partout. Donc jusqu'à Niamey, les DVD sont au marché 500 francs, 300 francs. Et mieux, c'est les télévisions même qui les prennent gratuitement et qui les passent. Et ça tue non seulement nos télévisions, ça tue notre cinéma et nous aussi, c'est en train de nous massacrer. Donc c'est ça la réalité. Quand on vous entend, on a, on a juste, on a juste l'impression, on se dit, en réalité, le cinéma nigérien n'a pas perdu de de sa valeur par rapport aux acteurs, mais juste par rapport peut-être euh, à cette concurrence dont vous venez de parler. Vous voyez, quand les Nigérians viennent ici chez nous, ils font des publicités à la tête, toutes les télévisions, et ils ont beaucoup de gens qui vont voir les films. Nous, on fait de la publicité, les gens ne vont pas voir les films, mais on n'est pas découragé parce qu'on n'a pas la même qualité des films. Vous verrez, aujourd'hui, mon dernier film, Cerveau Noir, vous ne pouvez pas le mettre comparé à un film nigérien, quel que soit le prix qu'ils ont mis dans mon entendement, le cinéma que je respecte, c'est le cinéma français. Parce que les Français ne sont jamais influencés par d'autres personnes, ni par les Américains, ni par les Américains. Les Italiens, ils font du cinéma français, c'est original. Les Français sont restés intacts en réalité. Tu peux ne pas l'aimer parce que tu n'es pas français, mais c'est fait pour les Français, eux, ils aiment ça. C'est comme ça que je veux que nous aussi, au Niger et en Afrique, qu'on fasse. Et maintenant, la nouvelle génération, les jeunes acteurs aujourd'hui, vous les connaissez Qu'est-ce que vous pensez d'eux Est-ce que vous pensez que le Niger, le cinéma, l'avenir du cinéma nigérien, je vais dire, à a connu une relève Bon, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le cinéma aujourd'hui. Bon, il faut les encourager, mais sincèrement, il faut le dire. Le président actuel de la République du Niger, Mohamed Issoufou, a encouragé le cinéma nigérien. Parce que quand il est venu au pouvoir, le budget de CNCN, Centre National de la Cinématographie du Niger, était 50 millions. Et il a poussé ce budget-là jusqu'à 170 millions. Rien que pour encourager les cinéastes nigériens. Et je me rappelle, quand il a fait son troisième mois de pouvoir, les questions que les journalistes ont posées sur le cinéma, il a dit, je connais les cinéastes d'avant. Je connais Mustafa, je connais Morganda, je connais Djingare Maïga. Mais je veux créer aussi mes cinéastes. Moi, j'étais très content. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est venu pour aider le cinéma. Donc la renaissance culturelle, là, lui, il avait ça dans la tête depuis au départ, il faut le dire, comme ça. Et il appelait tous les jeunes cinéastes. Il y en a qui ont eu 50 millions, il y en a qui ont eu 150 millions, il y en a qui ont eu 100 millions. Il a encouragé tous les jeunes là pour faire des films. Mais malheureusement, le cinéma, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est la tête, c'est le cœur, et c'est l'amour. Et ça, ça manque à la nouvelle génération Bien sûr, c'est ça qui leur manque. Ils n'ont pas la persévérance. Ils pensent pas bien. Et ils s'intéressent plus à l'argent, au matériel, que comme à l'art cinématographique. Et ça, c'est dommage. Moi, j'ai remarqué ça et ça me fait peur. Vous parlez toujours dans vos titres, on, remarque toujours le mot noir qui revient. Le tout le temps, j'ai dit le mot noir, je l'utilise parce que je voudrais distinguer mon cinéma par rapport aux autres cinéastes. Mais en toute réalité, quand j'ai dit le mot noir là est resté dans mon cœur et que j'ai envie de le garder, c'est quand j'ai rencontré en 1970 Aimé Césaire pendant la conférence de la francophonie à Niamey que Diori a organisée. J'étais jeune avec Mustapha et nous avons nos deux caméras professionnelles, dont une des caméras était donnée par la France et l'autre était achetée par le président Boubou Hamma. Avec le rec de mixage, on avait un studio plein. Ça n'existe pas en Afrique, nulle part. Et il nous est rendu visite. Il a regardé le matériel. Il était très content. Il a regardé les deux caméras. Il dit, ça, c'est les caméras de la négritude. Et il nous a regardé. Et il nous a dit, vous êtes des cinéastes? On a dit oui, Moustapha et moi. Il dit, bon, le mot noir, vous le sortez à travers vos films. N'oubliez pas. Il s'est adressé à moi. Il m'a pointé de doigt. Il est venu vers moi. Il m'a regardé m'a dit, jeune homme, toi, je compte sur toi, tu vas faire des films. Et n'oublie pas la négritude à travers tout ce que vous faites. OK J'ai dit, d'accord, monsieur. Il est parti. Depuis, ce truc-là est rentré dans ma tête. Et je vous le dis aujourd'hui. Monsieur Dingay, merci. Je vous remercie aussi. Les débuts du cinéma nigérien et sa situation actuelle, Dingarei Meiga, un cinéaste de la première génération, répondait à nos questions. parlons politique maintenant, la situation sociopolitique au Niger. Le silence de l'opposition politique et même celui de la mouvance présidentielle suscite des interrogations au sein de l'opinion publique nigérienne selon le président du parti, Modem Maekata Tahiru Gimba. Un parti non affilié, la situation actuelle du pays est la conséquence de la mauvaise organisation des dernières élections au Niger. Il répondait aux questions de Mokhtar Amadou. Tahiru Gimba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du modèle Maekata. Comment se porte concrètement le Niger aujourd'hui ben, il est difficile euh, pour un amateur comme moi d'évaluer la situation actuelle, mais je pense que le premier intéressé, c'est notre chef d'État cette question aurait dû lui être posée euh, à l'occasion, comme vous le dites, de ses 100 premiers jours de sa deuxième mandature. Mais c'est difficile. Tous les clignotants sont au rouge. Tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. Les quatre piliers qui font un État euh, sont tous presque par terre. Donc, ce qui fait que bon, on va prier. Je crois que ça va aller. Monsieur le Président, depuis quelque temps, l'opposition ne dit rien. Est-ce un calme avant la tempête ben, je ne saurais le dire, c'est-à-dire que, au fait, aucune des organisations, que ce soit la majorité, elle n'est pas unifiée, l'opposition n'est pas unifiée, les non-affiliés ne sont pas encore réorganisés, ce qui, ce qui reste de non-affiliés. Donc, ce qui fait qu'il y a une espèce de vacances politique de manière générale, toute la classe politique est en vacances. Parce que la tempête ou le grand vent a eu lieu, il y a eu des ouragans, il y a eu tout. Bon, maintenant, je pense que l'opposition n'est pas unifiée. La majorité également a les mêmes problèmes, traversée par les mêmes courants. Les non-affiliés, pas encore, parce qu'on n'est pas très nombreux. Je pense que nous pouvons nous organiser très rapidement. Mais l'opposition et la majorité sont traversées aussi par des ouragans. Donc, euh, la situation actuelle euh, laisse un peu à désirer sur le plan sociopolitique. Le silence de l'opposition politique est-ce une faiblesse ou une stratégie ou je ne peux pas répondre à leur place parce que euh, c'est quand même des gros dinosaures. Hein. Ils sont peut-être plus aguerris que nous autres sur le terrain politique. Mais je pense que pour certains, ils peuvent interpréter ça stratégie, pour d'autres c'est des faiblesses, pour d'autres c'est une absence totale. Donc je ne saurais vous dire avec certitude où on va. Est-ce qu'il y a une opposition même Je ne saurais vous le dire. Est-ce que tout le monde n'est pas dans tout le monde Et tout le monde est avec tout le monde et tout le monde est avec tout le monde. Donc euh, c'est une situation un peu extraordinaire que le Niger traverse actuellement sur le plan sociopolitique. En politique, Monsieur le Président, comment est-ce que ce silence peut être considéré comme étant une stratégie Tout le monde sait de quelles conditions sont données les dernières élections. Donc c'est les séquelles, les plaies sont encore béantes de ces dernières élections, c'est ce que chacun gère à sa façon. L'opposition n'arrive pas à faire un front commun. La majorité même est divisée à son sein. Je vous dis que tout le monde n'est pas membre de la MRN à la, majorité. Les non-affiliés, nous sommes en train de, de, nous organiser, voir comment nous allons nous aussi nous organiser, parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc ça sera plus facile que pour nous. Mais de part et d'autre, de l'autre côté, les deux blocs, entre eux-mêmes, il n'y a pas de cohésion. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est une faiblesse, le silence de l'opposition politique Je pense qu'elle est en train de vouloir se réorganiser telle que vous la connaissez, je pense, je ne peux pas penser, dire ça à leur place, mais je pense que la Coupa n'existe plus que de nom. Je pense que la MRN n'existe plus que de nom. Donc, on ne sait pas qui est fort, qui est faible, qu'est-ce qu'il y a, où est la faiblesse, où est la force. Depuis quelque temps, au niveau de la mouvance présidentielle, personne ne dit rien. Est-ce que ça peut inquiéter mais c'est inquiétant parce que dans un pays, tous les ingénieurs vont souhaiter voir. Euh, c'est vrai, il y a eu quelques échanges, quelques échafourés à l'Assemblée entre les députés dit de la majorité de l'opposition. On ne sait même pas qui est de la majorité, qui est de l'opposition à l'Assemblée. là. Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui qui est réellement opposant, qui est réellement de la majorité. Donc, peut-être les jours à venir vont nous édifier un peu plus. On verra. Parce que les crises comme je vous dis, les quatre piliers essentiels qui font un État sont tous euh, dans des situations critiques. Quand vous prenez le volet cohésion sociale sociopolitique, donc il est délétère. Quand vous prenez euh, le côté défense et sécurité avec la dernière débâcle de, Bosso, ce qui s'est passé à Bosso, et même juste dans une autre ville de la région de Difa juste après, inquiète plus d'un observateur. C'est-à-dire que quelque part, même notre système de défense et sécurité a besoin aussi d'une reprise à main. Et quand vous prenez le côté économique et financier, ben, vous n'avez pas un seul acteur. Chaque jour que Dieu fait, il y a un syndicat qui dit ceci, il y a une association qui n'est pas d'accord sur cela. Donc vraiment, il y a une inquiétude. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des contractuels qui accusent quatre mois d'arriéré Est-ce que c'est compréhensible oui, puisque à partir du moment où nous nous sommes lancés dans une nouvelle option, pas une nouvelle option, mais on a renforcé cette mauvaise option, qui consiste à acheter les consciences au niveau des élections. Donc, excusez-moi du terme, mais quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Quand on achète la conscience de quelqu'un, c'est qu'il y a un acheteur. Il y a un vendeur et un acheteur. Et on a outrepassé, on a dépassé les limites de l'entendement. On est arrivé dans un stade de pourrissement avancé, très avancé, où il est même inimaginable, quel que soit le programme dont vous êtes porteur, de vous adresser à quelqu'un sans lui donner quelque chose. Et là, je crois que c'est là où ceux qui étaient au pouvoir euh, à la fin de la, la première mandature en ont abusé. Et on est arrivé dans une situation telle maintenant aujourd'hui, bon, les ressources de toutes parts se sont évaporés. Le pilier sociopolitique qui est également par terre ne permet pas à un intervenant, un partenaire financier sérieux de venir aujourd'hui euh, injecter de l'argent de, de, économique nigérien. Parce que il faut un minimum, il faut bien qu'on s'assied quelque part, qu'il y ait un minimum de cohésion à tous les niveaux. Tout le monde connaît dans quelles conditions les élections sont déroulées. Donc il doit falloir s'asseoir, trouver, pas un compromis, mais trouver quelque chose qui ressemble à ça pour que au moins les partenaires extérieurs nous aident à sauver le peuple. Est-ce que la situation actuelle n'est pas un pain béni pour l'opposition politique ben, écoutez, je ne sais pas s'il y, a une opposition. Tout le problème est là, c'est qu'on ne sait pas. Maintenant, on ne sait pas qui est qui. Hein. Nous sommes dans une. Euh, on est en vacances et eh. on est en vacances politiques de manière générale. Tout le monde est en vacances. Personne ne regarde son camarade. Je vous dis, la majorité n'est pas unie l'opposition n'est pas unie. Bon, qui fait quoi Qui fait quoi, Monsieur le Président On n'a pas non plus entendu le son de cloche euh, des non-affiliés que vous êtes. Au fait, tous ces questionnements devraient être faits ou d'abord euh, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui s'opposent à eux, dans un premier temps. Mais il n'y a pas, et même les non affiliés je dis, nous sommes réunis plusieurs fois, mais on cherche à mettre quelque chose de sérieux en place, une structure qui nous permet de parler d'une même voix. Et même nous, nous n'avons pas fini. puisque au niveau de l'État, euh, les ministres n'ont pas leurs attributions, certains parités n'ont même pas de bureau. Bon, il n'y a pas de bureau, tout le monde est en vacances. Maintenant, en attendant que les vacances prennent fin, on ne sait pas quand, tout ce qu'on peut faire, c'est de manière un peu désobligeante, observer simplement. Face à la démission de l'opposition politique nigérienne, est-ce que les non affilés euh, peuvent euh, donner de la voix dans les jours à venir Vous savez, non affilés ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'option de ceux qui gouvernent, ni avec l'option de ceux qui s'opposent. Hum c'est une position assez délicate et nous ne voulons pas nous soucier à l'une ou à l'autre des partis. Quand vous prenez le cas du modèle Mayakata, quand vous lisez le préambule même des statuts de notre parti, nous nous prenons le changement de l'ensemble de la classe politique issue de la conférence nationale. Depuis 25 ans, on a tout testé, on a tout essayé. Le PNS a gouverné avec le MNCD, le PNS a gouverné avec la CDS, le PNS a gouverné avec euh, patati patata. ils ont tous fait la même chose, tous. Ils ont les mêmes approches, les mêmes concepts. Moi, j'ai eu à me prononcer quand la COPA a récupéré la Cour constitutionnelle. Elle envoie des noms pour validation de ses candidats à la députation. Il y a un problème. Chacun pense par la ruse depuis 25 ans. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Éternel le recommencement. Monsieur le Président du modèle Maïkatata Rujimba, depuis quelque temps, des rumeurs font état du rapprochement entre le MNC des Nassara et la majorité présidentielle. Que pensez-vous de ces rumeurs Comme vous, j'ai également appris cela et je pense que euh, au Niger, quand il y a des rumeurs, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et au Niger, quand il y a ce genre de rumeurs, il faut prêter vraiment attention et attendre de voir comment ça va évoluer. Mais rien ne me surprendra, rien du tout. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si c'est pour euh, juste se servir c'est mauvais. Mais si c'est pour servir le pays, parce qu'aujourd'hui tout le monde voit, ça saute à l'œil, l'État doit réduire son train de vie de manière drastique pour faire face, quand vous parlez d'arriérés de salaire, des contractuels d'enseignement. Ils font 80% du personnel enseignant. Et ces gens-là ont 4 mois d'arriérés, vous pensez qu'on va faire quelle rentrée, quelle scolaire Donc c'est des problèmes. Aujourd'hui, le chef de l'État, il a la clé des problèmes. Je pense qu'ils doivent tous s'asseoir, ou s'il veut bien associer également certaines forces vives du pays, il n'y a pas de problème, mais il faut aller vers quelque chose de concret il faut dire aux Nigériens, écoutez, on ne peut pas continuer avec le train de vie actuel. Ce n'est pas possible. Ça ne tiendra pas la route. Donc, il faut revenir là-dessus. S'il y a 45, s'il y a 50 ministres, il faut les amener peut-être à 10 ou à 15. Ça s'arrête là. C'est tout. Le reste, écoutez, monsieur, le pays n'a pas les moyens de ça. Arrêtons et on rebelote. Peut-être que certains bailleurs ou certains partenaires au développement finiront par nous faire confiance. Quelles peuvent être euh, les conséquences d'un ralliement du ministre de Nassara à la majorité présidentielle Je pense que euh, s'il s'y rallie, ça va affaiblir ce qui reste de l'opposition, un peu rentré, peut-être ça peut créer la sortie d'un autre. <laughs> Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Taïrou Gimba, on vous remercie. Merci. À moi de vous remercier. Le président du parti modèle Ma'aikata, interrogé par Mokhtar Amado, après le modèle Ma'aikata de Tairo Gimba, vous aurez dans nos prochains numéros, dans les jours à venir, la réaction des différents partis politiques. Je l'annonçais euh, début de ce, de ce forum. Nous parlerons également sécurité et c'est avec euh, la cérémonie de lancement ce matin au Palais des Congrès de Niamey du colloque inaugural du Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNESS placé sous le thème Regard croisé sur les enjeux d'une prospective pour le Niger. Dr Ila Ahmed, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Abdomoumouni de Niamey et membre du comité ad hoc mis en place à cet effet, il explique les enjeux et les défis liés à cette politique. Le Centre d'études stratégiques et de sécurité est né de la volonté du président de la République qui a voulu mettre en place un dispositif d'études, de réflexion sur les questions euh, stratégiques et sur les questions de sécurité. Donc c'est un centre qui est né d'une volonté politique affirmée son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour euh, mettre en place un dispositif institutionnel qui peut prendre en charge des études prospectives sur les questions stratégiques et sur les questions de sécurité. Quels sont les objectifs euh, attendus euh, au cours de ce colloque Les objectifs attendus au cours de ce colloque, c'est un colloque d'abord inaugural qui permettra de lancer ou qui permet de lancer les travaux du centre, et faire connaître le centre au grand public, aux chercheurs, aux hommes des médias que vous êtes. Et entre autres, comme objectif attendu, c'est que euh, l'après-midi de cette euh, journée, nos invités qui dirigent des centres similaires au Rwanda, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vont nous faire part de leur expertise, de leur expérience sur les bonnes pratiques. Donc nous aurons des discussions autour des bonnes pratiques sur les enjeux stratégiques, les bonnes pratiques sur le fonctionnement des centres de ce genre et le lendemain, le mardi 26 juillet, Inch'Allah, des réflexions thématiques plus spécifiques vont avoir lieu sur les questions migratoires et l'enjeu qu'elles portent sur les aspects sécuritaires, sur les questions démographiques et surtout sur les défis environnementaux et les enjeux stratégiques et sécuritaires qu'ils pose à nos États. Donc, nous attendons de ces réflexions, qui sont des réflexions extrêmement importantes, soutenues par des experts et par la qualité des participants à ce colloque inaugural. En tout cas, nous attendons des réflexions, comme l'a dit euh, le ministre directeur des cabinets, qui vont aider le centre qui vient de naître dans la poursuite de ces activités. Docteur Ilahamet, euh, beaucoup de réflexions ont été menées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la pauvreté et la migration. Est-ce que vous pensez que nos États ont la capacité ou bien ont les moyens pour faire face à tous ces fléaux Déjà, il faut reconnaître que nos États ont fait pas mal de choses. Ils sont en train, nonobstant les contraintes économiques, les contraintes financières auxquelles ils sont confrontés, ils sont en train de faire des efforts dans le cadre de la prise en charge des défis sécuritaires qui se posent à, nos États. Mais au-delà de cet aspect, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est cette euh, prise de conscience pour mettre en place un dispositif d'études et de réflexions qui peut aider les décideurs. C'est un think tank qui peut aider les décideurs pour prendre en charge de manière anticipée les véritables défis qui se posent. Donc en ce sens, je pense bien que le centre qui vient d'être mis en place, c'est un outil de politique publique qui est mis en place par les autorités politiques justement pour prendre en charge toutes les préoccupations que vous avez évoquées. Donc, euh, je dirais personnellement que le CNES est venu au moment très attendu parce que nous sommes au carrefour d'un certain nombre de situations. On l'a cité, la crise du terrorisme euh, au Sahel, que ce soit au Mali, à Libye, pratiquement dans tout l'espace sahélo-saharien, la crise démographiques ou les enjeux démographiques, les enjeux environnementaux. Donc il va bien falloir euh, prendre en charge toutes ces préoccupations, d'autant plus que nos pays quand même regorgent des euh, matières grises assez importantes. Tout à l'heure, vous avez suivi lors de la présentation de nos invités et même des experts nationaux combien de fois nos pays regorgent des talents, des personnalités qui ont le talent nécessaire pour prendre en charge ces réflexions. Je pense que cette fois-ci, nous avons osé et nous sommes en train d'oser pour que ces réflexions, pour que la prise en charge de ces défis qui se posent à notre environnement géopolitique proche soit étudiés, soit analysé par nous-mêmes Hein, par les experts que nous disposions pour que nous puissions en tout cas prendre en charge toutes ces réflexions euh, de manière endogène. Peut-être une dernière question, docteur Ilhamet. Euh, beaucoup de réflexions ont été menées, beaucoup de réactions ont été euh, prises dans le sens de la lutte contre le terrorisme, la migration. Beaucoup pensent que la question fondamentale, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la bonne gouvernance démocratique. Que pensez-vous, docteur si on parle de pauvreté, on peut dire que c'est un facteur catalyseur parce que la pauvreté est une situation qui peut engendrer pas mal de situations et qu'on peut de ce point de vue penser que la question du terrorisme ou la question des flux migratoires soit la conséquence de la pauvreté et que la pauvreté a des impacts sur nos institutions. Donc fondamentalement, à travers euh, ces réflexions qui vont être animés par ce think tank, par ce centre, justement. Il n'y a pas que le volet uniquement stratégique. Il y a des euh, réflexions qui vont avoir lieu autour des questions liées au développement économique, aux conditions d'une croissance économique pour permettre d'indiguer la question de pauvreté qui peut être un facteur incubateur du terrorisme et du phénomène migratoire. Donc de ce point de vue, euh, rassurez-vous, il y a cette dimension qui n'a pas été perdue de vue par euh, le centre et que le centre va prendre en charge en partie les réflexions autour des enjeux liés euh, aux questions économiques, aux questions démographiques, etc. etc. C'est vrai, c'est là euh, un des véritables défis qui se posent à nos États et que au-delà des efforts que nos États sont en train de faire, la communauté internationale, dans son ensemble également, et fait des réflexions au niveau d'autres instances pour voir comment juguler les questions qui sont liées à la pauvreté. Docteur Ilhamet, on vous remercie. Merci beaucoup. Regard croisé sur les enjeux d'une perspective pour le Niger, le thème du colloque inaugural du Centre national d'études stratégiques et de sécurité qui se tient à Niamey, le docteur Ila Ahmed répondait aux questions de Mokhtar Amado sur les enjeux. Mokhtar Amado sur les enjeux, les défis liés à cette politique. 18 heures passées de 47 minutes direction à Zender où la ville connaît ces derniers temps des cas d'accidents de circulation très graves et parfois mortels. Face à la recrudescence de ce phénomène, le gouverneur de la région de Zender s'est entretenu ce week-end avec les représentants de toutes les catégories socioprofessionnelles professionnelles de la région. Il a par ailleurs demandé au service des transports, de la police, de la gendarmerie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éradiquer ce phénomène. Amado Alidou, directeur régional des transports de Zender, il est au micro de Ali Keita, notre correspondant à Zender. Quand vous prenez un cas qui a vraiment endeuillé ou bien écœuré, même si je peux dire la population, c'est le cas le plus grave qu'on a enregistré la semaine passée, où il y a eu trois morts sur une moto trois morts déjà, pour quelqu'un qui connaît le code de la route, il y a une violation. Parce que tu ne peux pas être à trois sur une moto. Le problème qui se pose ici, il y a un problème de vitesse qui est là. Même l'assurance va causer des problèmes parce que nul n'est assuré pour trois places. Tout de plus, c'est deux places pour la moto. Et c'est ça qu'on a essayé donc euh, de débattre autour du gouverneur pour essayer de trouver des solutions pour permettre maintenant à l'autorité de jouer son rôle. La majorité de ces accidents, donc, c'est l'imprudence. En dehors de l'imprudence, donc, il y a la connaissance du code de la route. Parce que, euh, comme on a eu à le dire au niveau de la réunion, les gens quittent la campagne, ils se donnent les moyens d'acheter une moto sans pour autant être titulaire du ou bien ils ne cherchent même pas à vraiment savoir comment conduire une moto. Il y a un changement de code de la route, il y a un changement de loi que beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous avons la dernière loi du code de la route 2014-62 du 5 novembre 2014. Cette loi, c'est elle qui est en vigueur et il y a beaucoup de changements surtout par rapport aux pénalités. Ce n'est plus les amendes de 4 000 qu'on connaît, des amendes maintenant, ça part jusqu'à 500 000 francs. La mise en fourrière, en cas de problème, on, euh, met le, véhicule donc à la disposition du service public, on le, le, vend donc à la saisie. Si la, personne n'allait pas à, faire les formalités. Donc c'est tout ça, on a maintenant un devoir vis-à-vis de la population, au moins les rappeler, les informer des nouvelles dispositions du code de la route, des nouvelles sanctions, pour que les jeunes au moins sachent qu'est-ce qui, qui, les attend en tout cas en cas de vol. Et c'est après ça maintenant que nous pensons, nous, au niveau donc du pouvoir public, on a fait notre devoir et le reste donc euh, suivra. Parce que là, c'est la sensibilisation. Après la sensibilisation, c'est le contrôle. Parce que et là, personne ne va nous accuser de dire qu'ils ne sont pas au courant de ceci, cela. Et quelque part, on dit aussi, nul n'est censé ignorer les lois de son pays. Mais dès lors qu'on est dans une situation un peu délicate, parce que beaucoup ne savent pas ce qui se passe dans les bureaux, vous m'excusez des termes, on élabore les textes et donc nous, on se donne maintenant cette possibilité à travers donc le concours des médias pour donner l'information donc aux usagers pour qu'ils sachent les risques qu'ils encourent par rapport aux accidents de la route. Parce que beaucoup ignorent voilà donc en résumé ce euh, qu'on voit en tout cas dans les jours qui suivent mettre en application par rapport d'abord à la sensibilisation, après viendra la répression. Alors, monsieur le docteur, si nous pouvons avoir euh, à la date d'aujourd'hui le nombre d'accidents enregistrés ici au niveau de la ville de Zender Au niveau de la ville de Zender, on ne peut pas l'avoir à la date d'aujourd'hui pour la simple raison on a deux sources de, de, de, de remontée de données. La source de la gendarmerie qui nous envoie donc ces rapports périodiquement et là, il faut que la direction se déplace pour partir, avoir la dernière situation exacte donc, par rapport au mois de, de juillet. Et c'est la même chose aussi au niveau de la police. Parce que c'est des informations qu'on centralise au niveau régional. Donc, toutes les unités au niveau donc, de la région, que ce soit police ou gendarmerie, transmettent leur euh, donc, euh, rapport au niveau donc, de la région. Ici, c'est donc euh, le commandant de légion. Donc, il centralise. Là-bas, c'est la direction régionale de la police qui centralise. Donc, voilà ce qui fait que on ne peut pas vous donner chiffres à l'appui aujourd'hui par rapport à la situation réelle. Donc, non, c'est pas que c'est élevé, en fait. Nous, on a constaté, c'est la gravité qui est en train de nous préoccuper. Et l'autre aspect, l'aspect Agara donc l'arrangement à l'amiable. Et ça se fait pas en cas d'accident parce que qu'est-ce qui fait ce, problème Les gens ne sont pas en règle. Et une fois qu'il y a l'accident, au lieu de laisser l'autorité jouer son rôle, donc venir faire le constat, non, non, non, les gens préfèrent un arrangement à l'amiable. Et là, les gens sont lésés, parce que la victime, elle est lésée, parce qu'ici, tu n'as aucune prise, même que oh, les premiers soins à l'hôpital, on ne t'administre pas sur le champ, on préfère donc euh, terminologie à Et ça ne peut pas nous arranger, nous. Parce que pourquoi Même sur le plan religieux, aujourd'hui nos parents nous ont dit, la DIA existe, mais pourquoi pas encore euh, avec l'application moderne Donc il faut laisser le droit jouer son rôle. Donc c'est par rapport à ça et se, se laisser aller qui fait que on dit non, on n'est plus d'accord avec cette situation. Parce qu'il y a toujours des victimes qui sont laissées à elles-mêmes du moins. Parce qu'une victime qui est là aujourd'hui, tu es fracturé, personne n'est là pour au moins les premiers soins. Il n'y a pas l'assurance, il n'y a rien, on te laisse à ton propre soin. Mais ça ne peut pas marcher. Et nous, c'est ça qu'on dit non, on ne peut pas tolérer cet état de fait. Dès lors que tu, tu te donnes les moyens d'acheter un véhicule, il faut te donner les moyens aussi d'être en règle. Voilà ce qu'on veut, en tout cas, de l'avenir pour que, que ça soit, en tout cas, de, de mise. Donc, c'est cette rigueur qu'on veut. En 2015, donc l'année passée, on a eu jusqu'à 817 accidents qui ont fait 141 donc euh, tués, 360 blessés graves et 755 blessés légers. En 2015, le problème qui s'est posé au niveau de la région, c'est la gravité. C'est la gravité parce qu'un seul accident peut faire la mort de 10 personnes. Donc là, c'est la gravité qui a augmenté par rapport aux morts. L'imprudence, la cause principale de ces nombreux accidents dans la ville de Zender, c'est du moins ce qu'affirme le directeur régional des transports de Zender, Adamou Alidou, interrogé par Ali Keita, notre correspondant à Zender. On se souvient que le ministère de la fonction publique avait en avril dernier décidé par arrêté de licencier 19 médecins nouvellement affectés, puis un peu plus tard 18 autres médecins au motif que ceux-ci auraient refusé de rejoindre leur premier poste d'affectation. Le vendredi 15 juillet dernier, le syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Niger, le SINFAMED, avait déposé un préavis de grève de 48 heures à partir du lundi, préavis déclaré illégal par la justice le mercredi 20 juillet 2016. Dans sa sortie médiatique, au cours de sa sortie médiatique du jeudi dernier, le ministre de la fonction, le ministère, pardon, de la fonction publique a déclaré que le Symphamed demandait défendait pardon, les médecins, des médecins qui se trouvaient dans l'irrégularité, euh, déclaration rejetée par le secrétaire général du saint Famet, Dr Maman Sani, qui nous a accordé une interview ce matin. Mais nous avons trouvé effectivement dans ce qu'il a dit des choses que nous, en tout cas, nous n'avions jamais dites. Par exemple, ils ont dit que le Sanfamed euh, est en train de défendre des gens qui ont été recrutés, qui ont été affectés à l'intérieur du pays, qui refusent de partir à leur poste et qui continuent à percevoir le salaire. Je pense que dans toutes les communications que nous avions eu à faire, nous avons été clairs. Notre revendication se résume à la correction des irrégularités contenues dans les deux arrêtés portant licenciement de médecins. Il s'agit du premier arrêté qui licencie 19 médecins et d'un deuxième arrêté qui licencie 18 médecins. En tout et pour tout, 37 médecins. Le premier arrêté, à quoi consiste cette irrégularité C'est des médecins qui ont été recrutés, qui étaient en formation. On l'avait rappelé, qui avaient un certain moment tenté un plaidoyer auprès des autorités pour pouvoir finaliser leur formation. Ils étaient en pour parler. Il l'avait dit, il avait reconnu même le DRH lorsqu'il avait intervenu, avec même l'intervention du Premier ministre. Et après ces rencontres, l'inspecteur général des services a été instruit de diligenter une enquête administrative et de déposer un rapport. Il l'a bien dit, il a finalisé son rapport en décembre. Il a formulé des recommandations. Et dans les recommandations, il a parlé de l'article 269 du décret portant modalité d'application de la loi portant statut général de la fonction fonction publique de l'État qui dit pour licencier quelqu'un pour refus de rejoindre le premier poste d'affectation, il faut une mise en demeure. Ça, je pense que l'inspecteur général des services a mis ça dans ses recommandations. Il dit il a déposé les rapports auprès de qui de droit, rapport qui n'a jamais été officialisé, recommandations des rapports qui n'ont jamais été mises en œuvre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les concernés n'ont jamais été mis au parfum effectivement des conclusions de ces rapports. Il a fallu l'arrivée de ce ministre pour qu'il prenne des dispositions par rapport à ça. Et à son arrivée, il a fait un communiqué officiel radio télévisée où il demandait à ses camarades de regagner leur poste au plus tard le 5 mai 2016. Certains ont regagné et nous nous retrouvons avec même ceux qui ont regagné leur poste, ils ont été licenciés. Nous, c'est ce que nous avons contesté. Et vous, actuellement, le saint est-ce que vous êtes en possession des documents qui attestent qu'il y a certains parmi ces médecins effectivement qui ne sont pas concernés par cette histoire Exactement, nous avons toute la documentation parce que lorsqu'ils ont été, ils ont été recrutés, ils ont été affectés en octobre, pratiquement en novembre ils ont fait les prises de service. On a les prises de service. Voilà, les prises de service sont là. Après, ils sont revenus, comme je l'avais dit, ils ont fait les plaidoyers pour chercher la diligence, comme je l'avais dit, des autorités. Lorsqu'il y a eu communiqué de ces ministres en avril, exactement le 28 avril, ils ont repris service au plus tard le 5 mai. Ils ont des reprises de service. Mais ça veut dire que entre novembre et avril, ils n'étaient pas donc à leur poste. On est d'accord qu'ils n'étaient pas à leur poste entre novembre pratiquement et avril. Et il faut retenir que ça là, il y a une jurisprudence autour de ça, parce que le dernier recrutement, il y a des gens qui étaient en formation, on les avait laissés continuer leur formation. Idem pour le recrutement de 2006. C'est à ça que ces camarades-là avaient pensé, ils ont venu tenter. Mais depuis novembre, si on leur avait dit c'est pas possible, ils allaient regagner leur poste. Est-ce qu'administrativement, ils peuvent nous prouver, ils peuvent nous donner un papier On les défie dans ce sens. Ils nous donnent un papier depuis novembre jusqu'à avril, dont vous dites là, où ils ont sommé ces gens de regagner leur poste. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Il a fallu avril. Et dès qu'ils l'ont fait, les gens ont regagné leur poste. Dans ce cas, selon vous, après avoir regagné le poste, ou bien avant, quel était c'était le délai qui devait être imparti donner à ces médecins pour qu'ils regagnent le poste. Le délai, c'est, on dit, il faut une mise en demeure. La mise en demeure, c'est ce que le ministère de la Santé a considéré faire un communiqué. Ils ont fait un communiqué, ils ont donné une semaine. Parce qu'ils ont fait le communiqué le 28. Ils ont dit au plus tard le 5, donc ça veut dire une semaine. 28 avril 2016. Ils disent au plus tard le 5 mai 2016, les gens doivent regagner leur poste. Et les gens ont abandonné leur formation, ils sont partis. Moi, je pense que ça, il n'y a pas raison à ce que ces gens soient licenciés. C'est ce que nous, nous avons dit parce qu'ils ont respecté les délais donnés par lui-même le ministère de la Santé santé publique. Et donc l'arrêté du licenciement est sorti quand L'arrêté du licenciement est sorti le 8 mai 2016. Seulement le ministère n'a pas tenu compte effectivement de l'esprit du communiqué. Parce qu'en principe, ils font un communiqué. Ils disent au plus tard le 5 mai. Ils doivent attendre après le 5 parce que c'est le 5 à 18h que ça doit être clôturé. Tout celui qui n'est pas à son poste le 5 à 18h, il est considéré comme fautif et les sanctions doivent le frapper. Maintenant, ils doivent attendre en principe pour une administration qui se respecte les rapports de la hiérarchie. Imaginez un délai qui finit le 6 et licenciement sort le 8, je ne suis pas sûr que ces rapports a été fait sur la base effectivement des rapports de la hiérarchie. Et quand vous regardez la réalité, et c'est là nous avons compris effectivement cet amateurisme administratif qui caractérise, n'est-ce pas, notre ministère. Ils ont déjà saisi le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour le licencier déjà le 27, c'est-à-dire avant même qu'il ne fasse le communiqué. Le ministère de la Santé publique, à travers donc le directeur des ressources humaines, a bien dit qu'ils ont reçu des rapports des différentes directions régionales des DRSP. Est-ce qu'il vous a montré ces rapports-là Parce que nous, c'est ce que nous voulons savoir. Nous, tous ceux qu'on dit, on a les papiers, on vous les brandit à chaque fois. Tous les papiers, les, prises de service, les reprises de service, les certificats d'assurité. Parce que nous, à chaque fois, on leur demande de nous montrer ça et nous nous jamais montré ça. Vous avez donc tous les rapports euh, des, différentes DRSP Non, on peut pas avoir les rapports, mais on peut avoir les prises de service parce que ça, c'est pour le concerner. Le DRSP ne peut pas nous donner les rapports. Parce qu'on a voulu avoir ces rapports, mais ça a été un peu difficile, il ne peut pas nous les donner. Mais à travers ça, au moins, quelqu'un qui est sur place, les papiers, qu'il peut avoir, c'est sa prise de service, c'est son certificat d'assurance il y a des gens dans le deuxième arrêté qui sont assidus, qui sont dans une situation régulière. Des gens qui n'ont jamais quitté la poste. Imagine, on a l'air prise parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. Ils sont au nombre de combien qui ont les certificats d'assiduité Il y a deux qui ont le certificat d'assiduité. Il y a douze qui ont le, reprise des services dans le premier arrêté et trois dans le deuxième arrêté. Donc cela veut dire qu'il y a environ une quinzaine, voire 17 personnes qui sont dans ces situations et que nous demandons à ce qu'on régularise leur situation. Quelle est donc la décision actuelle que vous avez prise parce que le gouvernement vous avez signé en justice et que cette grève a été déclarée illégale, qu'allez-vous faire Et évidemment, Inch'Allah aussi, entre-temps, en tout cas, on ne trouve pas une solution. Par rapport à ces problèmes, nous allons continuer et dans le jour à venir, effectivement, si rien n'est fait, en tout cas, nous risquons de partir en grève parce que nous considérons que la grève, c'est le dernier recours. Mais quand, évidemment, ces gens continuent dans leur logique, alors nous ne sommes pas prêts, en tout cas, à reculer face à cette revendication et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour pouvoir aboutir nos justes et légitimes revendications. Voilà, c'est la fin de ce forum. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.